Voilà, mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver et nous vous remercions d'avoir nombreux répondu à notre invitation. Il s'agit des responsables de l'intercommission Yewi Wallou. C'est une conférence de commune, conférence de un point de presse commun au lendemain du scrutin du 22 juillet 2022. ñu bëgg rek mu sant yàlla julli Excusez-moi, hein, je suis. J'ai perdu la voix depuis trois jours. Alors. Alors, donc, euh, Mani de au nom de l'intercommission, intercoalition Yewi Wallou, grum Sant, comme journaliste comme homme de communication et de presse waxtaan nuit mon mon Sénégal disant dernier point de presse waxtaan fas yéene waxtaan bala ñoo dem ci élection yi nous sommes

dem nañu ay élection ak ay dammi touriste ak ay daggitu touriste ak ay petit liste pour la première fois dans ce pays il y a eu un déni un reniement de tous les organes yoo xam ne ñoo waroon di àtte wala dara waroon dalal xel ñi nga xam ne ñoo fekk joŋante nous dem une élection à Ibakan rot ay perte ci seeni dara parce que dañu am seen ngëm ngëm rek pour la première fois on a vécu une vraie campagne contexte vous indi première le pouvoir qu'on a en face est aux abois Les de jommi ils étaient cernés de toutes parts xam nga acculé une bête Sous ces ci je ne peux pas gagner avec la femme. parce que d'autres ont donc lay et c'est ce sauve qui peut qui a fait qu'on a été dans un scrutin, en tout cas dans un pré très chahuté, très houleux, très disputé, et malheureusement qui laissera des traces pendant longtemps dans l'histoire politique et démocratique de ce pays. Nous avons organisé les législature Rennes à xel ab xol mais yalla may nañu parce que nak lolu une chance sur ñu am askan il est capable de discernement il est capable de responsabilité et il est capable en des moments déterminés de son évolution et de son histoire de s'assumer de s'affirmer, pour ne pas dire de s'émanciper de toutes les contraintes et de toutes les pesanteurs yi Lors a ci kawam petit scrutin bi scrutin aussi dans un contexte où l'opposition a compris parce que quand l'histoire quand l'État a failli parce que ce qui élection yi c'est l'État à travers toutes ses institutions et à travers ces organes d'exécution, c'est cet État-là qui a failli et qui est à la base de l'imbroglio et de tous les problèmes que nous avons vécus. état Bobu moo imposé imposer Nous ñu jàmmaarloog moom à quel. parce que sooy xeex ak ñenn ñi nga xam ni wéeruwuñu yaakaaruñu à la ci ginaaw état pour di def li def da ngay et c'est ce que nous avons fait à travers l'opposition la plus significative de ce pays c'est ce qui explique cette présence-ci l'intercommission l'intercoalition yewi wallou est une réponse politique est un message politique est une attitude politique d'hommes politiques responsables qui ont compris que face à la brutalité et à tous les excès, il fallait une attitude de responsable, mais une attitude intelligente. C'est ce qui a donné naissance à l'intercoalition yehou Walou. Moubet Lol, ce fut une grosse, une très grosse surprise. Mais ce fut une agréable surprise pour l'opinion nationale qui a compris qu'on l'a comprise. Parce que ce que nous bëgg c'est tant que l'opposition bi mi Et nous avions tiré les leçons de 2012. Nous avions tiré les leçons de 2017. Et nous avions tiré les leçons de 2019 motax tax Yewwi donne réponse bo xamni mo ñu waral tay la satisfaction que askanu Sénégal di dund tay ñu dem ci élection yi xel dem ci élection yi ak dëgërlu dem ci élection yi ak fermeté ak engagement yu ma seuk gis ngeen ni ñu defee campagne bi parce que pré campagne bi dund ngeen ko ay xeex la ay xuloo la ay nit ñu dee la ñi ci ñàkk seen bakkan c'est des martyrs de la démocratie ñoo ngi jaal seeni wayjur ñoo ngi jaal seeni mbokk ñoo ngi koy jaal askan ñi ci tëj kaso ce fut ils furent des otages et des prisonniers politiques ñoo ngi leen di ndokkeel parce que kaso moom léegi day yokk wante du wàññi kenn nous ci gagné parce qu'il y en a beaucoup de blessés nous ngi leen di massaw mais les ça aurait été vain su fekkoon tey mbégte bi may amul parce que tay nak dañuy à dañuy askanu Sénégal parce que notre démocratie a montré sa maturité et sa capacité à s'émanciper d'un certain nombre de contraintes pour s'élever. Et c'est cette démocratie-là que nous fêtons avec la victoire de l'intercoalition Yewi Wali au législatif de 2020. parce que Tchoule, leeg wax ju bari mais li et qui est indéniable l'élection, yi gagnée. les interventions qui vont suivre vont vous en apporter la preuve et la démonstration. nous avons gagné pas parce que nous avons une dañuy sooke Nous avons gagné parce que nous ni ñenn ñi PV nous avons créer une victoire nous sommes des gens responsables qui travaillons sur la base de principes, de règles, de textes, mais sur la base de faits et de preuves. C'est avec des PV normaux, issus du processus et non préfabriqués, que les gens wax li ñu wax ñi ci téggu dañ ko wax li mu mën rek bëral Sénégal moy dañu gagner te duñu victoire nous avons confisqué notre victoire Nous avons confisqué sax notre victoire ne fait aucun aucun doute ci mais surtout grâce aux Sénégalais et aux Sénégalaises nous leen di de di donc conférence de presse bi point de presse c'est pour vous expliquer l'enlèvement ak fan la ñu li ñu féliciter bu les de liste de Wallou et de Yewi. Wallou, avec le président Ouad, qui n'a plus rien à prouver mais qui par son engagement nous montre qu'un combat pour la vie c'est un combat de conviction et de foi koku du fay du et le fait qu'à l'âge où il est né, qu'il soit capable de venir s'investir, de parler aux Sénégalais de démocratie, de développement et de liberté nous ko c'est de aussi féliciter pour lui rendre hommage notre tête de liste nationale Yévi, Ousmane Sonko qui a fait une très très belle campagne n'en déplaise aux autres parce que nous ñu waral tous nos problème. Les gens d'en face ne voulaient pas de nos leaders, ne voulaient pas de nos responsables dans cette campagne. La seule chose qu'ils ont oublié ou qu'ils n'ont jamais connu ou qu'ils méconnaissent, c'est que Yewi, si suuxa Gum gum ne projet la yéene la yakar la mat-mat jëriñ askan wi liggéeyal askan wi liggéey ngir askan wi liggéey ak askan wi loolu la ñu sóorul ci xol bi la ak ci xel yi dara mënu koo fay que tous nos leaders aient été écartés de la course a été une source de motivation et de fierté de servir l'idéal Yewwi et tous les candidats de Yewwi. C'est la raison pour laquelle des hommes comme Barthélemy et tous ceux qui sont derrière nous méritent d'être félicités parce qu'ils ont compris les enjeux et ils ont pris la place de tout le monde L'ol rek la gars yi sóorul woon xamuñu woon ni Yewwi dara mën a koo fay xel lañ leen tontoo tontoo wuñ leen xol dañ leen wax ni ñun ñoo leen ëpp xel ñoo leen gën a muus soo amee doole walla ngay jëriñoo jàmbur doo réfléchir lu bari looloo leen dal su ñu yëgoon tey je suis sûr que si c'était à recommencer il n'invaliderait jamais notre liste parce que li ñu sénégalais yu am ren ci taxaw ci adhésion ci contenté ci mbégte ci engagement mënuñu leen ko fay yàlla na leen ko yàlla fay au nom de l'intercoalition ñoo ngi gërëm askanu Sénégal ci loolu nga xam ni defal nañ ko wàllu ak Yewwi ci adhéré ci fi ñu leen woo ci adhéré ci taxawal démocratie c'est la première leçon deuxième leçon c'est que ni campagne bi ak camp élection que ce soit la campagne de Walou, que ce soit la campagne de Yewi, ce fut une adhésion populaire sans faille avec peu de moyens nag fayuñu c'était massif c'était populaire c'était animé mbégte rek nga ciy bi mooy dañu amoon projet demuñu ci élection yi na nit ñi voté leen ñu ngir ni un autre Sénégal est possible nous invitons tous les Sénégalais à venir le construire ensemble. On était dans une œuvre, une entreprise de co-construction d'un nouveau pays, d'une nouvelle nation, d'un nouvel État et d'un nouveau projet économique et social qui promeut le Sénégalais, uniquement le Sénégalais, entièrement le Sénégalais. Lolo ñu que nous dañu xam nous jëm xam li ñu bëgg xam moo dans cette campagne nous étions à l'aise xam nañ fi ñu jëm xam nañ nañ lañ fay demee ak kan lañ fay demee ak lu ñu dem dama bëgg rapidement rek brosser loolu pour situer li taxoon ñu demee ni ñu demee doxale nañu doxe Aujourd'hui, nous avons autour de cette table Lamine Cham, qui est le

daañ leen wax aussi nan la tëddee daañ leen wax aussi fan la jëm après am ñu autour de cette table et derrière moi